ñabbite ngeen été moom am par rapport à cette situation René Oui, ñabbite man que la mémoire elle est sélective des fois nit day fàtte lu bare il faut aussi nous relater ay faits le la moo am parce que moment a un procès ñaari citoyens sénégalais y ni un problème justice tranchée mu corruption à la jeunesse et demain, je ne suis pas un expert en droit

Le plus ñu ko daaneeloon si loolu am ko les faits sont là mais la mooy gis qu'ils mu changer. Moi le mot loolu c'est une question de perception c'est-à-dire que sénégalais ni qui koy les gens pensent que qui m'ont kenn daan ko si viol une ko dans si loo xam pour jëm ko teg jaay doole loolu yu bari sénégalais yi gis te man yaakaar tamit il est important suy nekkee si Jamoni yi que nous référé wu tamit si ay nit yoo xam ne xarañ si wàllu droit mais ñu tollu jamono bo xamné tay je n'ai rien contre ces mécaniciens je n'ai rien contre un tailleur mais il gis tey benn benn avocat bu mag un tailleur jë jógee fële mu ne lu kii wax droit du noonu ma ni ma ni moo a xam droit janu un ñu toll moo tax il faudrait que nous delluwaat ci affaire fu mu nekk ñu xam ne ku war a wax droit mu wax droit mais tout le monde sait que aujourd'hui dëkk bi dafa nekk ci benn situation boo xam ne benn impasse la des deux camps et pourtant impasse boobu je ne comprends rien hein, dans dans ce qui se passe j'ai l'impression que y a une autorité un pouvoir qu'on a donné à une personne mais imagine il y a combien de Sénégalais aujourd'hui qui sont dans les prisons et qui veulent nous juger leen si seen il y a combien de Sénégalais qui ont nous am na juger et pourtant as les gens vont à l'occupation. occupations mais parce que c'est Ousmane Sonko populaire qu'il soit mais c'est un citoyen sénégalais. C'est-à-dire que je d'abord respecter ce que la loi a dit, ce que le droit a dit. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de manipulations. Les gens disent ce qu'ils veulent. Mhm. Mhm. Mais René, est-ce que aussi xel euh, mun un euh, dossier bo xamné euh, ñu ko depuis wax trois ans ñu gis carrément que bureau viole les lois wax. Déjà, les événements de mars dernier, on avait enregistré le toll de 14 morts. finalement nous avons nga pour à ce que nous élucider par rapport à cette euh, affaire de viol et là, on nous parle euh, de corruption de la jeunesse. Est-ce que finalement, le fait que Ousmane Sonko, nous avons dit que le complot d'État, le Barambi, euh, pointe directement le président de la République, Macky Sall, euh, son ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Dion, verdict verdict n'est correct, di certifier li nga xamné mo nek cadre le leader bu Pastef waxon nako mais attends journaliste je pense que ça tout le monde le sait au Sénégal Ousmane Sonko je suis dem de Beauté moo fa le boppam en période de feu les gens en ont parlé est-ce que le président Maxal est mêlé dans cette affaire mais je pense que aujourd'hui il faut que nous wax dëgg tamit parce que quand on fait de la politique on a un devoir de responsabilité vis-à-vis des Sénégalais on a un devoir de vérité par rapport à ces Sénégalais c'est comme disait Emile Zola j'accuse aujourd'hui moi j'accuse tous ces intellectuels aujourd'hui qui sont dans ce pays et qui écrivent et qui pensent qu'aujourd'hui, c'est un complot d'État. Et pourtant... Mais ça a tout l'air avec ce verdict aussi, euh, euh, euh, René aussi. Hein? Mais Ndiabite, man, ce c'est-à-dire que nous ne comprenons ni une classe intellectuelle. Ces gens-là se disent intellectuels. Mais est-ce qu'ils ont fait une analyse sud de la situation Aujourd'hui, on est intellectuel. Aujourd'hui, on a peur de ce mensonge. Aujourd'hui, on a peur de cette politique de garça-garça. Ah oui? Parce qu'à chaque fois, so, Manmi, à la preuve, man je un Boubacar euh, Boris Diop wala sax euh, euh, voilà. Felwine mom nak felwin sar ak yi nga xamné moy nek nekk. mais Alioune suñu doyen aluntine après même sax Aliou Sané coordinateur bu Y'en a nga xamné ne mën nañu wax né depuis maître Abdoulaye Wade gis nga bataille yi nga xamné engagé won nañ ko par rapport ak la démocratie du pays ñu mëna ragal ki nga xamné mo nek Ousmane Sonko ça n'a pas de sens aussi à Yéréné mais écoutez Ndiabité man lu ma ces intitulés là mais vraiment je ne les comprends pas j'ai du mal à les comprendre et à les à les saisir mais pourtant dans un autre pays les gens disent que ne du pas tout parce que man gis suis gis naa euh, homme politique bu ne tout président boobu man ma relations internationales approfondies je peux pas me permettre de citer un président qui est en activité tout parce que ça peut créer des problèmes surtout man ma suis parti au pouvoir mais y a des gens qui ne pas loin du Sénégal mais il y a des gens qui ils sont en connivence avec ces chefs d'État et pourtant ils sont considérés comme de grands dictateurs chez eux parce que j'ai eu la chance de les voir à Londres ils Angleterre c'est un dictateur et pourtant pourquoi nous jël position par rapport à Lolo parce qu'ils ont des intérêts avec ces gens qui sont là ah aujourd'hui il y a un discours violent que Ousmane Sonko a prôné au Sénégal. C'est-à-dire que la politique au Sénégal n'a jamais été comme ça. Même si, on, même si dans le passé, tout le monde dit qu'il y a une histoire violente. Mais on n'est jamais arrivé si bas, moi, di ndey man je reçois des menaces sans portable absolument la parce que j'ai eu eu le cas de dire des choses il faut qu'il y ait la dissolution du pasteur. est-ce que l'on est correct, juste euh, conséquence aussi euh, de votre politique disney euh, peut-être l'outar sénégalais japonais Ousmane Sonko dañ bëgg a euh, làkk jant bi wala sacrifier comme une euh, l'épisode de Khalifa abbasal Sall dial l'épisode du fils de Abdoulaye Wade aussi Karim Maïssa Wade aussi dial na aussi René. mais du sénégalais ça y c'est-à-dire que c'est une minorité aujourd'hui une minorité aujourd'hui on veut nous renvoyer une minorité un euh, moment déstabilisé. mais c'est une minorité c'est une minorité je vous le dis aujourd'hui on est en train de nous renvoyer au temps de l'Union soviétique au temps de Staline au temps de Pol Pot ça nous n'allons jamais l'accepter c'est-à-dire qu'on perd dans ce pays comme le Sénégal là si mami nous ñu mel ni Blaise Diagne ñu mel ni Lamine Gueye Ngalandou Diouf Léopold Sédar Wade def une république aujourd'hui c'est-à-dire que ces gens-là ils bëgg que sur une république ces gens-là ils bëgg que sur une solidité mais je vous dis une chose c'est-à-dire que parenthèse ce sera fermé et aujourd'hui on va reprendre sur les fondements de la république parce que on ne peut pas être d'accord sur certaines choses parce que ni am même vous les journalistes vous avez même peur de dire des choses sur ce Sonko parce que à chaque fois mais ça ay un am na attaquer attaqué mais nous ne nit am droit joxe c'est-à-dire que je les invite à un débat d'intellectuel je peux donner un avis il est temps aujourd'hui qu'on puisse dissoudre le PASTEF ah parce que mais insurrection a eu, mais insurrection du parce hmm, que insurrection le PASTEF eu. je pense que euh, René nous remontez à si euh, une passée récente de l'histoire euh, le président de la république euh, Macky Sall mi nga xamné moy euh, le Sénégal carrément on va aller déloger ki nga xamné euh, maître Abdoulaye à cette époque gisuñ maître Abdoulaye vraiment li nga la justice sénégalaise pour nous rencontrer cet adversaire politique aussi mais comparaison n'est pas raison ça dit que quand on parle d'insurrection... Mais les mots ont leur sens aussi. Mais les mots ont leur sens. même dans le contexte aujourd'hui qui est appliqué, ça dit dire qu'il parle de renversement d'un État. Mais la preuve, des derniers jours, ils ont dit, venez à la place de l'indépendance, on va déloger le président de la République. Ça à dire que c'est extrêmement violent. il y a des gens, je, sais, je, suis, je suis sûr que, vous avez invité des gens qui ont peur même de venir ici parce que la preuve tu sais pourquoi Moi, je me dis je suis sénégalais Dakar voilà tey bés mon arrêté, le pourquoi mort ragal suis pas biir réew. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus autant de l'esclavage aujourd'hui on n'est plus autant de la guerre mondiale des guerres mondiales aujourd'hui on n'est plus autant de la décolonisation c'est-à-dire qu'on est dans une république qui s'appelle le Sénégal am 5 sañ-sañ mu émettre avis par rapport Sénégal Sénégalais, mais le mais débat est mais nous, il peut pas se débat là ne ko il peut pas se débat moy garsa garsa te lan avec un langage odieux moy lan wax lu ñaaw lan lan fait de toutes les religieuses wax aujourd'hui ñun à tout un chacun mais la preuve vous avez vu il y a des euh, chroniqueurs ñu sont à l'étranger des sages, né il faut il faut il faut ni yak ay gens, euh, mais su imagine man des fois je comprends pas à l'université Cheikh Anta Diop mais si ñu demee ba fac droit yàq ay bibliothèque mais je me dis est-ce que réellement c'est des étudiants Moi, je suis d'accord avec le ministre de l'Intérieur ce qu'il a dit il y a des forces occultes gëmuma ba les étudiants sénégalais moo yàq université Anta Diop. forces occultes yoo depuis euh, les événements de mars dernier l'État du Sénégal mënul teg euh, lu leer ci euh, sénégalais ben ba par rapport à ces soi-disant euh, euh, force occulte aussi, euh, René. Mais est-ce que êtes-vous au courant de ce que l'État fait du matin au soir Il y a des choses, quand on parle de sécurité, c'est-à-dire que ce n'est pas comme le marché Sandago, le marché Moussante. On ne le dit pas, mais à chaque fois, il y a des terroristes qui se font arrêter au niveau de nos frontières. À chaque fois, nous disons mais lolo, ce qui veut dire développer, c'est une créer une psychose. Mais la preuve, les gens n'osent même plus aller au travail. Les jeunes n'osent même plus aller à l'école. À qui la faute parce que la montre. à qui la faute. non faute bi mun la responsabilité elle est partagée. Mhm. c'est-à-dire que man dama je dama gomme, man dama gomme. un état fort c'est-à-dire que autrement dit l'état a le monopole de la violence légitime lu le président Idrissa Seck waxoon nga ne cëppet c'est-à-dire que mu ah oui non mais attends. tu es pour l'arrestation de mais soyons sérieux mais parce qu'il a il a commis un crime s'il a commis un crime il il est coupable il est coupable c'est-à-dire que d'abord, d'abord, d'abord, d'abord, c'est-à-dire que mon son combat là ils veulent non non mais il y a des gens qui ont ne man j'ai compris hein, j'ai compris c'est comme c'est mais est-ce que la justice sénégalaise wala l'état du Sénégal. dina jël risque arrêter euh, dem jëli Ousmane Sonko. mais mais écoutez man des fois j'ai l'impression. Mais écoutez, li yëpp xew le verdict aussi. mais mais écoutez qui Ousmane Sonko. on nous parle d'une vingtaine de morts. mais qui Ousmane Sonko c'est un Sénégalais. Mhm. qui travaille aux impôts de domaines il était dans son coin jékki-jékki mu gis inspecteurs yi seen avantage yi mu bëgg a bokk si créé syndicat mu jiite ko. ah oui mu jékki-jékki lu ñuy xamee si moom mooy diffamation jënd ay secrétaire d'état di wax li c'est-à-dire que nous, ñoo créé de toutes les pièces. man j'avais dit à l'époque j'avais dit à l'époque dans une émission ba boo passé pour dire sama sama propos de di def TikTok man Ousmane Sonko c'est une réalité en politique qu'on le veuille ou pas hmm. mais nous, on ne doit pas le diaboliser. On doit analyser sa communication. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, parce que la personne se découvre. Mais ce que nous avons vu, venant de cette personne, ça vous waxe wax njaaxum ça bu waxee dara le moo politicien di parce que mon affaire war top mais Ousmane Sonko lañuy top wala dañuy li nga cette injustice wala cette justice bi nga xamné japp né dafa le bras armé aussi euh, de l'exécutif aussi finalement est-ce que le combat dépassé li nga la personne d'Ousmane Sonko buñu euh, force bi nga euh, les manifestations amna depuis ces quatre derniers jours. Mais il n'y a pas de force. C'est juste que... Il n'y a pas de force Je vais vous dire une chose. Et c'est mort, c'est saccage Ces morts-là, nous, sincèrement, les Sénégalais, c'est-à-dire que, que ce soit les deux camps, nous souhaite un Sénégalais nous perdre la vie dans ces, dans, circonstances-là, mm. ou, bien dans, ces conditions-là. Parce que ça fait mal. même si on ne sait pas, nous gagner. avons une ah, une minute de silence par rapport à nos morts, par rapport à nos disparus. Mais il est arrivé à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a laissé, on lui a donné trop de pouvoir. Ça, man mënuma comprendre pas. nan lay demee Ziguinchor à un moment donné nous barricadé une partie du Sénégal Beaucoup de combat contre tout un état c'est-à-dire que du roi ne la way cokki bi cokki final bi Dakar mais écoutez nous li ñu bootee mooy lan lu ni daaf mais attends, j'ai vu, même vu même des informations circuler. Mais ne soyez pas surpris si vous voyez à la RTS, dans le journal télévisé de la RTS, Nengis va passer, du que, piloté, ne soyez pas surpris. Ça veut dire que l'autre manipulation. Là. Mm. Et c'est la preuve, nous, on est au courant de beaucoup de choses. Quand le ministre de l'Intérieur il dit que ces gens-là qui sont à l'étranger, bientôt, ils est arrêté, arrêtés, mais on sait qu'il y a des textes chaque pays a les gens parlent de liberté les gens parlent de liberté d'expression mais aujourd'hui nous avons des nous avons des traités nous avons des conventions avec ces états là c'est-à-dire que aujourd'hui ces gens là ils ne peuvent pas appeler à l'insurrection de protéger par rapport à nous. c'est-à-dire que nous, nous sommes d'égale dignité par rapport à ces états là c'est-à-dire que le ministre de est en train de faire son travail et le moment venu ces gens là seront arrêtés vous parlez de violence. Euh,